Voilà, c'est dans la douleur que les Lions du Sénégal gagnent leur premier match de la Cannes 2021 qui se joue en 2022. Un but à zéro devant les Warriors du Zimbabwe, un but marqué euh, sur penalty euh, par Sadio Mane à la 96e minute. Donc c'est au tour du Barada, cette fameuse théière sénégalaise que nous allons débriefer cette première rencontre des Lions à la Cannes 2021 avec euh, le meilleur chroniqueur de Polda, la plume magique, Gauthier Dabo, qui va faire office de consultant durant cette émission. Bienvenue au tout premier numéro de votre émission Brief and Débrief version Cannes 2021 que nous allons ouvrir avec euh, l'avis des Sénégalais après ce premier match. Comment ont-ils vécu cette victoire du Sénégal Sont-ils restés sur leur faim C'est ce que nous allons découvrir dans ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Kolda par Amidia parce qu'on pas eu Molo Touré doon nañ daanaka Sénégal buy dem euh, coupe du monde wala coupe d'Afrique au moins dañuy am benn ba de préparation mais cette année ak Covid bi nii on n'a pas eu à avoir ay match de préparation quoi moo tax loolu noonu dañ joué na si match bi quoi parce que gars yi de moom boo ko defee franchement di baax ñu nga xam ne ko bi match la Sénégal Zimbabwe mu gagné ko ne victoire bi euh, préparé pour ñëw ko malgré que nag équipe nationale du Sénégal donc ak manquant yi problème Covid moo taxoon nii rek la mënoon a demee ñu ngi ñaan rek prochaine fois ñu jéem a yokk attaque attaque maanaam attaque bi mooy problème bu ko dalee ci gardien bi attaque bi sax bon mais dugal prochaine daal jéem a xoolaat kontaan nañu daal nu ñu gagné mais daal gars yi nu ñuy joué daal seen joué bi tey dafa des de des na de par rapport nu ñu doon joué daal. Ah, man kay man dama laajal sa waay dama daw dama dem tëdd sax. Merci euh, je pense que il faut nous parler d'équipe mais il faudra aussi nous faire une xel on a beaucoup de de blessés absence de bëri des joueurs qui sont incontournables dans l'équipe. équipe absenté et voilà quoi ça a joué boo les synergie synergies de presse, mais malgré on a gagné.

ay est am il jour bon voilà euh, problème Covid et tout et tout pas c'est pas lui c'est pas de euh, sa faute mais lu ñu nous rek que ni revenu en forme nest ce pas ñoo très important. Soit am la def am nga jour mais dans un premier temps lu mu de Sadio Mané numéro 10 Sadio Mané football Sénégal wala tout problème voilà c'était le micro-trottoir réalisé dans les rues de Colda par Ami donc coaché, euh, tu as entendu ce que les doit ont dit à travers ce micro-trottoir ça veut dire que beaucoup d'entre eux sont restés sur leur faim euh, malgré cette victoire du Sénégal quelle analyse fais-tu dans l'ensemble de cette première rencontre ah oui, euh, Diao, effectivement, d'abord, saluer les Paulois et la confiance de la déprestige qui est toujours là pour euh, ce bon travail. Et je crois que ce plateau est un plateau spécial et c'est le meilleur plateau de ce Euh, C'était un super attendu, hein. c'était un super parce qu'à ces jours, euh, le Sénégal encore a la plus grande équipe de l'Afrique. C'est comme ça qu'on peut, le dire. Parce que dans le classement, ça fait mois aujourd'hui que nous sommes au, niveau continental. Donc c'est pour ça ici aujourd'hui qu'on attendait un résultat. Et vu que nous jouions contre une équipe comme le Zimbabwe, certainement les gens attendaient voir nos scores, attendaient voir le Sénégal qui allait venir se montrer faire peur à ses adversaires, ce qui n'a pas été le cas. Certes, on avait des adversaires, mais quand même, il faut considérer aussi qu'on a joué contre une équipe qui a, dont cest dire 75% des joueurs ont joué contre le Djaraf l'année dernière donc, et qui ont été dominés par le Giraffe 16 Mais aujourd'hui, le Sénégal n'a pas impressionné. Le Sénégal n'a pas su faire la différence. Ça va faire peur, naturellement, vu les objectifs de l'équipe nationale, qui est de gagner une coupe. Voilà donc Gauthier, mais on a vu l'équipe du Sénégal euh, qui a commencé tambour battant cette rencontre durant les 20 premières minutes avec un Bouladia en feu qui a même créé voilà, les meilleures occasions du Sénégal. Et, mais en deuxième mi-temps, le Sénégal a un peu baissé de régime. Comment analyses-tu les deux faces des Lions durant cette rencontre D'abord, l'envie on a vu l'envie, c'est ceux qui sont arrivés de nouveau, c'est ceux qui étaient dans, ce match. On devait donc voir l'envie de ceux qui avaient l'expérience de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est une autre compétition. Mais c'est Bounassar qu'on a vu, c'est euh, Abdul Diallo qu'on a vu, des, nouveaux qui ne connaissent pas la compétition, mais qui sont venus avec beaucoup d'envie. Et il faut reconnaître aussi qu'à la première période, l'équipe adverse, c'est-à-dire le Zimbabwe, a joué en recul. Ils avaient un peu peur du Sénégal. Mais après, après 45 minutes, vu que l'équipe n'a pas encaissé, ils ont commencé à gagner confiance. On a vu donc que l'adversaire était beaucoup plus menaçant hein, à la seconde période qu'à la première, première, période. Voilà, donc euh, avec notre... Euh, ami Yunus euh, Younous Boaro alias Don Diego voilà donc il y gis nga voilà le match du Sénégal c'était un peu compliqué yow nous noo dans le match du Sénégal. oui comme l'a bien dit M. Gauthier notre chroniqueur bien vrai, bon, je n'ai pas pu suivre la première euh, mi-temps, j'ai suivi la, de, la seconde mi-temps, mais ce que j'ai vu, ce n'est pas convaincant. Alors pour le moment, c'est un regard de tous les Sénégalais. man je me c'est quoi Parce qu'un Sénégal, avec le grand Sénégal, vous ñu avec ak lu ñu non man n'est pas convaincant quoi bien vrai que a eu une pénalité à la dernière heure bon marqué par Sadio Mané mais jusqu'à présent ce n'est pas convaincant. Parce que le Sénégal, disons que c'est un équipe favori dans la compétition. Maintenant, bon, le reste, le, reste comment dirais-je, le mieux reste à venir. Bon, bon euh, euh, en mangeant. Donc, euh, ce qu'on a vu aussi dans cette rencontre, c'est que les meilleurs occasions du Sénégal, le Sénégal les a eu dans les jeux de transition, c'est-à-dire à savoir trois contre, celui de Sadio Mané après une période, celui où Sadio Mané aussi a donné à Ganegué qui a arraché son contrôle, et aussi celui de Diallo qui a voulu centrer pour un attaquant mais que le gardien a intercepté. Donc, comment vois-tu, est-ce que ça sera une bonne option pour le Sénégal durant les prochaines rencontres euh, devant des grandes équipes qui vont proposer mieux que le Zimbabwe Une remarque pertinente, hein, euh, une remarque pertinente. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il ne faut pas attendre à voir une équipe du Sénégal joueuse. Parce que nous n'avons pas une équipe joueuse, ça, ça, il faut le reconnaître. Là, les carottes sont déjà Il n'y a pas une cohésion dans, l'équipe. Mais quand même, on a vu de très belles relances qu'on a de Pape Abou Sissé, de Abdul Diallo et de d'Idrissa Et Avec la vitesse de, de Sadio Mane, et peut-être si avec si on espérait un peu le retour peut-être de Mampalis, qui a un très bon volume de jeu, ça peut aussi faire du, bien. Donc le système, pour moi, euh, ne doit être que ça en, vérité. Le Sénégal, en vérité, doit miser sur ça. Une, deux passes, jouer sur les contre-attaques. Parce qu'en vérité, le jeu n'est pas humilé. En fait, euh, je dirais que si c'est ne peut plus compter sur la possession, sur la possession rivale. Raison, raison pour laquelle il est obligé de jouer comme ça. Parce qu'on va croiser -ce certaines équipes qui seront beaucoup plus en place que, que Zimbabwe. Surtout les équipes maghrébiennes. Si on les croise aujourd'hui, on ne doit pas penser à porter le ballon. Mais on doit penser à jouer autrement. Parce que aussi, il faut reconnaître qu'on ne fait pas le bon jeu, mais l'essentiel, c'est de gagner. Maintenant, il faut s'armer, se préparer pour gagner. Voilà, donc merci Gauthier. Place maintenant à notre deuxième rubrique. C'est le regard de l'expert. Nous avons tendu notre micro à notre confrère Bekay Fissé, journaliste sportif coldois, qui est le correspondant de la TV. Nous allons suivre son analyse euh, voilà, euh, à travers la rubrique Le regard de l'expert. L'équipe du Sénégal pour la première période déjà a été vraiment plus euh, conquérante, plus décisive sur certaines actions. Si je prends déjà la troisième minute, Bounassar euh, qui, avec une force, euh, une force de frappe très, euh, très bien José, est passé à côté vraiment d'ouvrir le score. Sadio Mané qui s'infiltre et bute sur un gardien vraiment qui était à, son jour je vois bien que le Sénégal était mieux positionné et il y avait vraiment une bonne circulation de balles. Maintenant, ce qui faisait juste défaut, c'est en quelque sorte dans les attaques placées. Et jusque-là, cela devient un problème récurrent pour l'équipe nationale du Sénégal. Les, attaques placées, on a des difficultés à les exploiter. Maintenant, on a, à un certain moment, on a tenté de jouer euh, sur, euh, la vivacité, mais aussi euh, sur les relances, hein, le jeu rapide. Malheureusement, on a buté sur un gardien aussi qui était des meilleurs, mais aussi avec un défenseur expérimenté qui n'a pas donné la possibilité euh, aux attaquants sénégalais d'exploser. Je pense bien que euh, le jeu de transition, c'est en quelque sorte euh, une particularité en Afrique. C'est un jeu qui, qui, de plus en plus semble être plus huilé avec les équipes africaines qui n'ont pas trop de temps pour préparer certains, certaines stratégies de jeu. Donc les transitions, c'est la meilleure option. Mais en ce moment, on a vu que euh, a voulu alterner entre le jeu court et le jeu gelon euh, sans pour autant mettre l'accent un peu sur certains individualités. Je pense bien qu'à moment, c'est ce qui a décanté euh, le sort du match. Euh, quand on Sadio Mané a pris l'initiative de, de, de prendre le côté gauche hmm, où il, se sent plus à l'aise et de forcer cette défense à vouloir faire commettre beaucoup de, euh, beaucoup de fautes. Euh, c'est là où on a commencé à sentir cette vivacité, euh, cette pression de l'équipe du Sénégal. Mais il faut juste comprendre que le Sénégal n'a pas joué avec 6 à 7 hmm, de ses cadres. Et ce n'est pas aussi facile pour des jeunes qui viennent pour une première fois de découvrir ouvrir la Coupe d'Afrique, si tu prends Bounassa, tu prends Balotouré, tu prends euh, euh, euh Djalo, tu prends Sénidien, euh, tu prends euh, Boulaïdja, donc des jeunes qui n'ont pas encore connu l'Afrique. Donc c'est une difficulté pour eux de s'adapter, mais je pense bien qu'ils n'ont pas été mauvais. Et le fait d'opter pour que Bounassar joue comme milieu hum, excentré. Et je pense bien que cela aussi a fait du bien à l'équipe nationale du Sénégal. C'est juste pour montrer qu'Alucissé a fait un très bon euh, choix de ces hommes qui peuvent vraiment euh, euh, boucher certains trous quand il y a des difficultés. merci. C'était l'analyse de Bekay journaliste sportif, de la télévision. Cette TV, on voit aussi Yaya Baldé qui nous rejoint sur ce plateau, Yaya. Donc, euh, tu as raté les premières analyses de Gauthier, mais le sentiment le mieux partagé, c'est que le Sénégal a gagné, mais les Sénégalais sont restés sur leur terrain. Toi aussi, comment tu analyses cette première rencontre du Sénégal Bon, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Euh, qui est le correspondant. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les, amis. Moi, je dis vraiment, j'ai été déçu par rapport à notre prestation là où on attendait l'équipe sénégalaise, elle a tout à fait passé à côté. Parce qu'on a tout fait sauf du football. Peut-être en première mi-temps, mais deuxième période, on n'a absolument rien pu faire. Avec une équipe qui n'a même pas des joueurs internationaux. On ne reconnaît personne là où on peut dire par exemple comme un certain Sadio Mané, on parle de Idrissa Kanagay, on parle de Abdou Diallo, Pape Abou Sissé, on a très grand choix. Il y a, le Sénégal aussi a perdu 6 cadres et aussi il y a une chambres. Est-ce que ce n'est pas dû à cause de ça que le Sénégal a un peu voilà, pêché euh, dans euh, la euh, protection du ballon et aussi voilà, dans la transmission Pour moi, ne pas un problème Avec le tour que hein, on pouvait vraiment faire quelque chose pour gagner Sauf une situation comme pénalité, le Sénégal, le Sénégal n'a rien montré montrer devant la Zimbabwe. Parce qu'on n'a pas joué, on, a raté combien d'occasions en première période. Manque d'efficacité à nos attaquants. pour n'a absolument rien vu. Diao Keita n'a pas joué. Presque les côtés, peut-être c'est Bounassar qui a pu au moins se débrouiller pour faire quelque chose et ça a demandé tout, le reste à passer à côté. C'est pour moi, il n'a plus de place dans cette équipe du Sénégal. Voilà donc, euh, Gauthier, tu as entendu ce qu'a dit Yaya. Euh, maintenant, nous allons aborder sur les hommes du match. On a parlé de Bounassar qui était très en vue lors de la première période, mais il y a également Sadio Mané par intermittence un peu. Voilà, c'est grâce à lui que nous gagnons ce match. Mais le Sénégal aussi a eu plusieurs joueurs hein, qui ont participé pour la première fois à une canne, à part peut-être Sadio Mané, Ghana euh, Kouyaté, parce que tout le reste euh, voilà, des joueurs, à euh, Baldé aussi, donc tout le reste était des novices. Donc euh, ça peut s'expliquer aussi voilà, par rapport à notre victoire, mais voilà, une victoire qui est toujours amère voilà, au aux yeux des Sénégalais Naturellement, oui, ça peut aussi s'expliquer. Hein. ça peut aussi s'expliquer parce que comme je l'ai dit au début, il faut aussi reconnaître qu'il y a des joueurs qui ne connaissent pas la compétition africaine. Et la compétition africaine, elle est particulière. Aujourd'hui, pour ces joueurs qui quittent l'Europe qui reviennent ici en Afrique, c'est autre chose. Ce n'est pas ce qu'ils avaient l'habitude de voir. D'abord le climat, ensuite le terrain, et même la compétition, la rigueur. Donc ce qu'on voit avec la, dans la compétition africaine, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir hein, en, Europe. N'est-ce pas Mais quand même, il faut reconnaître que aujourd'hui au Sénégal, je dirais que ce sont ces joueurs qui sont venus nouvellement qui ont fait de grands matchs. Je veux toujours nommer Abdou Diallo et, et Bounassar. Donc même si Balo, voilà, il n'était pas trop ça, voilà, je crois que si avec le retour peut-être de Kalidou Koulibaly, il y aura peut-être une autre option de si c'est peut-être avec euh, euh Abdoulou, peut-être qu'il sera à gauche, peut-être c'est beaucoup plus bénéfique. Euh, sinon quand même, il y a toujours un Sénégalais que, je juge moi euh, comme, le Bousquet de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'à chaque fois que les gens ne voient pas le travail, mais pour moi qui est le cordon ombilical de l'équipe nationale du Sénégal, c'est Idrissa Ganagay. Il est très technique et à chaque fois, c'est lui qui fait la différence. Il fait tout pour que le Sénégal ne souffre pas. Donc, euh, je dirais que l'homme du match, c'est certainement Bounassar, mais il ne faut pas laisser en rade Idrissa Ganagé. Voilà, Idrissa Ganagé, mais Yaya, comme l'a dit Gauthier, pour gagner en Afrique, il ne faut pas jouer à l'Europe, il faut jouer à l'africaine. Donc, euh, pour toi, qu'est-ce qu'on doit corriger pour le prochain match contre la Guinée Merci beaucoup, Suba. À l'africaine, c'est d'accord, mais Alexis c'est à tort pour jouer une compétition comme, comme la Coupe d'Afrique des il faut amener des joueurs compétitifs. Nous tous, nous savons que Balotouré n'a pas compétit. Ibrahim Mbaye n'a pas compétit. Ça, aujourd'hui, c'est contraire. Parce que pour de Balotouré, comment tu peux qu'il est et toi, tu tombes Ça, c'est votre par rapport à l'équipe. Le Sénégal, 20e mondial. La Zimbabwe, 120e. 120e, c'est. Il y a une différence énorme. Si on ne peut pas vraiment produire du football devant cette équipe, faut dire que nous, on ne peut pas espérer même aller dans les quarts de finale. Pour moi, il faut aller ici d'abord. Premièrement, il essaie de tout faire pour vraiment rectifier la défense, les latéraux. Ça manque il faut que Bounassar descende et Abdou Diallo occupe le latéral gauche. Au moins, si Khalid Koulibaly revient, pour qu'il puisse aligner entre Khalid Koulibaly et Papa Boussissé dans l'axe Voilà donc Don Diego, euh, je vais te mettre euh, comment tu vois euh, le match contre la Guinée, en sachant que le Sénégal et la Guinée, ça sera un grand derby. Donc euh, le jeu sera ouvert, c'est pas comme la, euh, le Zimbabwe. Donc voilà. Quelle sorte de match attendu par rapport à Comme l'a vous savez, le Sénégal, tous toutes les compétitions qu'on a, suivi, suivies, le Sénégal, le Sénégal en compétition, on rentre comme ça en compétition tous les Sénégalais s'attendent que le Sénégal ne, fera pas le mieux. Alors, bon, la petite vient en mangeant. c'est ça que je dois voir. Bien vrai que je n'ai pas suivi intégralement la marche. Je ne suivi que euh, les, 15 euh, dernières minutes de la marche. Mais je crois que le Sénégal ira plein. Même, il peut même la commander la Sénégal. Ça, mon souhait, c'est ça que beaucoup de Sénégalais pensent. Voilà, votre euh, jeu euh, contre la Guinée, c'est ce vendredi. On a parlé tantôt du jeu de transition du Sénégal. On sait que la Guinée ne sera pas comme le Zimbabwe qui va attendre le Sénégal. La Guinée a des stars comme Nabi Keita, a des stars comme Amadou Diawara, comme Madi Kamara. Donc, ils ne vont pas attendre le Sénégal. Donc, avec cette configuration-là, est-ce que ça peut arranger le Sénégal euh, C'est ce qui est très important. Parce que la plupart des Sénégalais disent qu'il y a des manquants et autres il y a des manquants. Est-ce que ces manquants vont revenir Est-ce que, par exemple, un exemple, que, Kalidou Khalidou Koulibaly va revenir contre la Guinée Est-ce que Khalidou Koulibaly, qui manque de compétition, peut faire mieux que Papa Boussissé à tout dialogue Est-ce que les autres vont revenir Aujourd'hui, c'est très important. Et la Guinée, c'est une très belle équipe. Une très, très belle équipe. Et ce n'est pas un match facile. C'est un derby d'abord, ça il faut le reconnaître. Ensuite, même si on a l'habitude de gagner la Guinée, il faut se dire que depuis des que la Guinée cherche cette occasion de se venger, de prendre sa revanche. Et cette année, la Guinée a peut-être un poids encore de plus. C'est la passion du président de la République qui les oblige à faire une très bonne compétition. Donc le Sénégal n'a pas une tasse vraiment facile. Ils doivent avoir beaucoup plus d'envie s'ils veulent gagner. Parce qu'aujourd'hui, c'est la coupe qu'on veut. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va gagner la coupe. Si vous devez jouer contre des équipes comme la Guinée. Ensuite, au-delà de la Guinée, on a vu le Cameroun hier. On a vu Burkina qui avait pourtant, qui était dans la même situation avec les deux joueurs qui, qui, avaient le corona, deux joueurs clés, mais qui, ont fait un très bon match. Donc le Sénégal doit changer de visage. L'envie doit venir beaucoup plus. Et le jeu doit être beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Beaucoup plus d'engagement c'est tout. Voilà, donc merci beaucoup Gauthier. Yaya, tu as quelque chose à ajouter avant que voilà, l'on termine. Très bien, j'ai quelque chose à dire. Euh, moi, je dis que Khalid C'est s'il revient de même s'il n'a pas compris, il faudra mieux peut-être coller à Pape Abou Sissé, coller à Vous savez pourquoi Khalid Koulibaly actuellement c'est un ancien. Je vous donnerai un exemple. Abou Bakar, Vincent Abou Bakar, lorsqu'il gagnait la Coupe d'Afrique des alors il n'avait pas qui, mais c'est lui qui a sauvé le Cameroun pour manquer devant les difficultés. Et il a marqué aussi extraordinaire. C'est parce que c'est l'ancienneté qui. C'est la mentalité qui joue en ce moment. Khalid Koulibaly il a participé deux fois à la Coupe de des Nations, il a participé à la Coupe du Monde. Alors, comme Koulibaly, il compétit ou pas, l'essentiel, s'il est en bonne santé, j'en suis sûr et certain, il pourra faire le mieux pour nous, pas participer aux certains Voilà, merci beaucoup Yaya Balde, merci beaucoup notre consultant Gauthier, merci à notre baradologue Yunus Boaro alias Don Diego. Voilà qui met un terme au tout premier numéro de votre émission Brief et débrief Cannes 2021 ici à Kolda. Euh, voilà, donc nous vous rendez-vous euh, euh, à la fin des premières journées. Ce sera toujours avec notre chroniqueur et consultant Gauthier Davo. Merci, au revoir, nous remercions voilà, euh, à la régie Amélie Diamanka et Ousmane euh, Diallo à la technique, euh, à la conception Mohamed Diop et à la réalisation toute l'équipe de la Dépêche TV. Merci et au revoir.